bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le mercato sur 13 TV Mboki, Dalena dal ak ci sen mercato sur 13 TV Ariel Mendy am 25 ans nga xamné ay jamono ñu ngi doon tudd mu ngi nekk ci yoonu dem ci AC Ajaccio ci xibaar yu mujj nee nañu ma ngay dem ci Servette FC 4 quatrième ci championnat suisse bi wessu mom Arial Mendy bi nga xamné Niki ni Idrissa Gana Gueye ñu ngi leen formé ci jambar bu sali ci Sénégal janvier bi wessu ñu ngi ko ablo won ci Orléans ginnaaw sa lolu bokkatul won ci plan entre entraîneur bi di Franck Eyes fàttali ne sénégalais bi nga xam ne mu ngi am contrat ak clubam ba juin 2021 mu ngi rejoindre woon nord bu France ci atum 2018 ginnaaw ba ñu rafetloo prestation bi nga xam ne def na ko niki samedi gi ci final FA Cup bu Angleterre ak double boo nga xam ne dugal na ko waa Arsenal jamono ji la ñu bëgg mooy gàttee seen joueur bii di Pierre-Emerick Aubameyang bu ñu sukkandikoo ci Daily Star Gunners yi noppi nañu jël koppar yu bari jébbal ko Gabonais bi nga xam ne ëllëgëm ba tey dara leeragu ci club londonien bi ne noppi na ngir jox salaire bu jege deux cent quatre-vingt mille euros par semaine joueur Gabonais bi bu fekkee ne prolongé na mu doon koppar gu takku goo xam ne. ñàkkul ne dina xalaatloo bu baax jour bi nga xam ne moo offrir quatorzième coupe d'Angleterre club bii di Arsenal. Antonio Conte ne devrait pas faire long feu à l'Inter après sa sortie médiatique. En Lombardie, on pense à l'après et il est, semble-t-il, tout trouvé si on en croit tout au sport et la Gazzetta dello Sport, puisque l'ombre de Massimiliano Allegri plane au-dessus de la Lombardie en ce début de semaine. Prêté à l'Inter par Manchester United cette saison, Alexis Sanchez finira la saison avec les Nerazzurri. Les Lombards n'ont pas officialisé d'accord avec les Red Devils concernant une prolongation de deux mois, mais ils viennent de publier la liste des joueurs retenus pour la fin de la Ligue Europa et Sanchez y figure. Le profil du jeune de 21 ans de l'AS Roma Nicolo Zagnolo plairait beaucoup à la Juventus qui chercherait à le récupérer. En effet, tout sport estime que la vieille dame serait prête à sacrifier Federico Bernateschi et le jeune défenseur Romero pour convaincre la Louve de lâcher sa pépite. Walter Zenga, non conservé, Cagliari a nommé ce lundi Eusebio Di Francesco en tant qu'entraîneur. L'entraîneur a conclu l'accord qu'il lie au club Rosso Blue jusqu'au 30 juin 2022. L'ancien entraîneur de la Roma entre 2017 et 2019 était son club depuis son passage express 7 matchs à la Sampdoria en 2019. Le club Sarda a achevé dimanche la Serie A à la 14e place. Jeune latéral gauche apparu à 9 reprises en Liga Nos cette saison, Nuno Mendes, âgé de 18 ans, voit sa cote grimper sur le marché. Record explique que le joueur du Sporting Portugal est suivi d'un œil par le Real Madrid. Le stade de l'observation n'a pas été dépassé, mais le Sporting Club de Portugal a déjà fait savoir que son protégé est disponible contre 40 5 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Si l'ancien attaquant de Braga, Francisco Trincao, n'a pas encore joué avec le Barça, il serait déjà convoité. Selon Sport, une offre de 60 millions d'euros venant d'un club de première ligue a été faite à la direction catalane. Celle-ci l'aurait refusée. Le Barça compte sur son jeune joueur recruté pour 31 millions d'euros l'hiver dernier. Arsenal a des ambitions pour son mercato cet été, mais avant d'acheter, les Gunners devront vendre selon le Daily Mail. Le média britannique liste neuf joueurs poussés vers la sortie. Alexandre Lacazette et Matteo Guendouzi en conflit avec Mikel Arteta seraient parmi les départs souhaités par le club londonien. Les autres joueurs qui seraient sur cette liste sont Hector Bellerin, Socrates Papastopoulos, Lucas Torreira, Sid Kolasinac, Skrodan Mustafi, Rob Holding et Henrik Mkhitaryan de retour de prêt à l'Ice Roman. Face à un Borussia Dortmund intransigeant, Manchester United serait prêt à céder et à mettre 120 millions d'euros sur la table pour Zadon Sancho. Les Red Devils aimeraient néanmoins échelonner ce transfert et d'après les dernières informations de Build, Manchester United pourrait payer 70 millions d'euros directement et échelonner les 50 millions d'euros restants sur la forme de deux versements, l'un de 30 millions d'euros et l'autre de 20 millions d'euros. Après le départ d'Eddie Howe, entraîneur pendant 11 saisons, Bournemouth doit se retrouver un nouveau coach pour la saison prochaine qui se passera en Championship. Les Cherries devraient perdre leurs joueurs majeurs que sont Joshua King et Nathan Ake et vont devoir s'adapter pour espérer remonter au plus vite. Le symbole de ce nouveau départ pourrait être John Terry. Selon le Times, les dirigeants se seraient intéressés à l'actuel adjoint de Dean Smith du côté d'Aston Villa. Selon l'équipe, l'OL aurait refusé une offre de transfert du Bayern Munich pour Melvin Bard, son jeune latéral gauche. Les Guns tiendraient beaucoup à leur joueur de 19 ans et lui auraient proposé une offre de contrat. Auteur du double Coupe Championnat cette saison avec le FC Porto, Sergio Conceição a remporté deux championnats, une Coupe du Portugal et une Super Coupe du Portugal en trois ans, de quoi pousser ses dirigeants à tout faire pour le blinder lié à Porto jusqu'en 2021 et verrouillé par une clause libératoire fixée à 20 millions d'euros. Contessao devrait prolonger sous peu, annonce ou Jogo. ñu jeexalee ak bonus sport euh, ki fi nekkoon staru football bu Côte d'Ivoire daal nay déposé officiellement samedi gi ci Abidjan candidature ngir jiite présidence bu institution bi mom DJ Drogba daal nay promettre ñi voté ne dina xar tànk tubayam ngir fexé bu football bi delluwaat fa mu nekkoon ca Côte d'Ivoire mom ancien capitaine yu éléphant yu Côte d'Ivoire yi sax jotna am 8 parrainage ak benn soutien bu juróomi regroupement d'intérêt yi nga xamné ne faaw rek nga am ko ngir mëna postuler ci la élection lu moy DJ Drogba Ba Idriss Diallo nekkoon ñetteelu vice président bu fédération ivoirienne du football mi nga xam ne association footballeur yi ñoo ko jàppale ak ki nekk jamono ji vice président bu fédération ba doon it président bu ligue bi di Sori Diabaté ñoom jot nañoo déposé seen candidature ba noppi. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.